ren particularité mooy gan bu baax bi nga xamante ne sëñ bi mënu musu ko am mooy président de la république mooy njiitu réew mi euh, digganteem ak kilifa yi yàgg na waaye ren bu ñu demee ba programme gàmm bi mu ne moom gàmm bi incha allah dina ñëwal boppam loolu gulet mu am fii ci taaxiru kilifa diine mooy Faa Ousmane Fansou Bodian mooy Bassirou Diomaye Diakhar Diakhar euh, Faye nar a ñëw fii nar a gunge sëriñ bi ci wàllu euh, gàmm bi. donc euh, ci protocole boobu la ñu nekk nii incha allah rabi bu ñëwee dana jublu directement ci jumaa ju fa lay jullee jumaa ba pare ñëw fi ci kër sëriñ bi Namar Sanfar Damo balaa muy euh, am waxtaan euh, bi ak sëriñ bi. bu fa jógee nag mu ñëw fii ci tente bi incha allah rabi saafante ak euh, mbokki jullit yi ak yeneen kilifa yi euh, yu nekk fii tamit ba pare yeewu ko bàyyi ko mu ñibbi ndaxte euh, cérémonie officielle bi war nañ ko mën a def bu ñu jullee deux heures bu pare ay góor quinze heures seize heures ci stade bi incha allah rabi moo tax ñu koy sant bu baax di sant mboolem kilifa bi nga te teew nga fi ci gàmmu Fa Ousmane Sonko Bodian fii ci diwaan bi ñu am dëkk trop trop comme ni ma ko waxee teewaay réew mi Goulet, jamais dans l'histoire euh, du Gamou de la France un chef d'État n'a jamais présidé un Gamou. c'est une première je crois que le comité d'organisation et le président du comité d'organisation et voire même le marabout c'est un sentiment de satisfaction et de fierté qui nous anime nous tous. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le président de la République a bel et bien dire aux Sénégalais que le Sénégal appartient à tout le monde. Et tous les chefs de religieux, donc euh, on doit quand même le remettre à leur place, c'est-à-dire le place qui leur convient. Ousmane Soubodia a pris tous les honneurs, il a été reçu au palais de la mais pour cette fois-ci, euh, une cérémonie de ce genre, il n'y a jamais eu un président de la République qui vient Aujourd'hui, le président de la République, vient de viendra ici à Bindouana il va prier avec le marabout à la grande mosquée et ensuite il va avoir un entretien tête à tête avec le marabout chez lui au domicile du marabout pour quelques minutes et ensuite il y a une temps qu'on a exposé en face du marabout et il y aura des allocutions par le chef de l'État qui va parler effectivement à son emploi mais aussi à l'État du Sénégal et ensuite il y aura des prières que le marabout a formulées et ensuite on laissera le président de la République rentrer et maintenant la cérémonie officielle euh, va se poursuivre au niveau du stade euh, départemental de Bignona à partir de 15h16 Jamais dans l'histoire euh, du Gamou de la France un chef d'État n'a jamais présidé un Gamou. C'est une première. je crois que le comité d'organisation et le président du comité d'organisation, voire même le marabout, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté qui nous anime nous tous. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le président de la République a bel et bien dire aux Sénégalais que le Sénégal appartient à tout le monde. Et tous les chefs de religieux, donc euh, on doit quand même le remettre à leur place, c'est-à-dire leur place qui leur convient. Ousmane Soubodia a après tous les honneurs, il a été reçu au Palais de la mais pour cette fois-ci, euh, une cérémonie de ce genre, il n'y a jamais eu un président de la République qui vient Aujourd'hui, le président de la République, Bassel Diamaye, ça viendra ici à Bignona, il va appeler avec le à la grande mosquée et ensuite il va avoir un entretien tête à tête avec le marabout chez lui au domicile du marabout pour quelques minutes et ensuite il y a une temps qu'on a exposé en face du marabout et il y aura des allocutions par le chef de l'État qui va parler effectivement à son emploi mais aussi à l'État du Sénégal et ensuite il y aura des prières que le marabout a formulées et ensuite on laissera le président de la République rentrer et maintenant la cérémonie officielle euh, va se poursuivre au niveau du stade euh, départemental de Bignona à partir de 15h16